mu joxe discours am muy docteur Abdourahmane Diouf asalaamaaleykum mbooloo mi asalaamaaleykum waa Mbour ñaari yàgg février 2019 si Ousmane Sonko qu'un candidat à l'élection présidentielle sénégalais votent le ko troisième depuis lors y élection l'élection nañu élection locale jàll en 2022 mais sénégalais yi amuñu l'occasion occasion voter Ousmane Sonko Ils ont eu l'occasion occasion votel élection législative Garfi Ngour Gifin Nekon ne Ousmane Sonko du candidat Nekoul candidat élection présidentielle Garfi nous ne Ousmane Sonko du candidat Nekoul candidat li ma bëgg 17 novembre Bidigno. c'est le jour de Ousmane Sonko justement c'est le jour où on doit lui rendre hommage c'est le jour on doit régler toutes les injustices qu'il a subies pour les cinq dernières années. Donc, peut-être qu'on ne bëgg de l'Assemblée nationale on vous donne rendez-vous le 17 novembre pour nous rendre orange, hommage nous gagner une majorité majorité à l'assemblée nationale. le deuxième message et le dernier je moi que dis un adversaire nous nous pas yéen d'être une opposition. Ousmane Sonko moo waxoon ni do jël pouvoir exécutif nga jox ko diw après nga jël pouvoir législatif jox ko même pouvoir bobu da ngay équilibré waye suñu adversaire ñi wax lolu xamuñu tactique xamuñu stratégie gis nga match de football bo ci nekkee ni ngay footballé bo mënee 3-0 ak ni ngay footballé buñ la mënee 3-0 du doon benn ni ngay footballé boo momé vent ak ni ngay footballé buñ la boo moomul vent du doon benn tey nag ñun ñoo moom vent ñuy jël exécutif jël assemblée dans deux ans ñu jël local yi Sénégal jëm kanam dana merci beaucoup merci beaucoup docteur Abdourahmane Diouf waa côté bii war na ngeen